Nous sommes euh, vendredi 9 février 2024. Il vient d'être 11h à Niamey et partout au Niger. Chères auditrices et auditeurs des programmes du studio Kalangu, bonjour. Ravi de vous retrouver dans ce dernier numéro de la semaine de notre émission Le Niger sur Kalangu. Je suis Ali Moukela alias Seno et avec moi Salamatou Kadiri Di Sali. Bonjour Sali. Bonjour Seno, comment tu vas Je veux bien, merci nous on fait aussi un petit coucou à ceux qui assurent la régie. La technique, c'est Seine Isaka et à l'édition Adam Odowaki et Rahiloto Sumana Alors, nous quel est le menu du jour Salut, comme d'habitude, nous allons entrer en matière avec le flash d'information, puis une bonne dose de musique 100% nigérienne s'en suivra tout au long euh, de l'émission. Il y aura les chroniques Lotti du desk femme du studio Kalangu et le sport avec euh, Hasumi Guruza, sans oublier la revue de la presse du vendredi. Toujours dans le Niger sur Kalangou, aujourd'hui notre invité du jour est monsieur Baydari Yakuba Hamani. Il est réalisateur, producteur et acteur, également directeur du Festival international du film sur les droits de l'homme FIFIDO. Pour l'écho des régions, nous irons dans la région de Dosso, précisément à Gaïa, où nous parlerons de la formation pour les personnes en situation de handicap. Nous terminerons avec les messages vocaux de nos auditeurs. Alors, chers auditeurs, installez-vous confortablement confortablement et c'est parti pour 60 minutes de divertissement et d'infos. Sans trop tarder, voici le flash présenté par Nafissa Adamou Sirfo. Nafisa, bonjour. Bonjour Seno, bonjour Salamatou. Bonjour Nafisa. quelles sont les nouvelles Alors, relativement au retrait du Niger de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à CDAO, le ministère nigérien des Affaires étrangères, dans un communiqué en date du 7 février, adressé à la commission de cette institution sous-régionale, écrivait, je cite, Le Niger n'est plus lié aux contraintes des délais mentionnés à l'article 80 du traité révisé et évoqué par la Commission. Pour rappel, le 28 janvier dernier, le Niger et ses deux voisins, à savoir le Mali et le Burkina Faso, ont annoncé le retrait de la CDAO avec effet immédiat. Un réseau composé de quatre faussaires de billets de banque a été démantelé hier par la police du premier arrondissement communal de Zender. Parmi eux figurent deux étudiants régulièrement inscrits à l'université de la ville, lesquels sont chargés d'écouler les faux billets sur le marché, souligne la police régionale. Enfin, le petit marché de Niamey sera bientôt reconstruit. Le gouverneur de la région de Niamey, le général de brigade Asman Abdou a dans une lettre en date du 26 janvier 2024 a donné son accord pour la reconstruction du marché qui sera un marché moderne à standard international de plusieurs niveaux. Le marché sera doté également d'un parking souterrain d'une capacité de plus de 1200 places. C'est la fin de ce flash d'information. Je vous retrouve à 17h pour le journal en français. D'ici là, pour toi bien, Nafisa. Merci, aussi. Merci. Chers auditeurs, euh, comme annoncé tantôt, dans quelques instants, nous allons recevoir euh, notre invité du jour. Il s'agit bien de Beidari Yakuba Hamani. Il est réalisateur, producteur, acteur. Euh, et il va nous rejoindre dans un instant à l'autre dans le studio. Mais en attendant, savourons d'abord la première note musicale de notre playlist d'aujourd'hui. Voici pour vous Gabdi Keina. napenda mata mata mata note watu ngawana mata mata mata note sema tuwana nikipa ningani nikipa ningada ni banda watu nino na bara ibejendi watu nindo na ngara ifaragandi ni nino na bara ifajendi eh aiwe mia matindilinya megora hija nini kupo mwa boro wana nini kupo mwa tapo wana nini kupo mwa gano wana zama nino gabi gaina

Gab de signifie petite femme émancipée en Zarma. À travers ce titre, l'artiste valorise la danse, la tradition et la culture nigérienne. سكيرة خليه ارقد امشي قدام شوية وكر شوية شوف عيوني شوف عيونك كل يوم اسمع كلام امك شباب وشباني كلها ارقد تعالى تعالى تعالى ارقد sada ya wana wata miya ta boy ko yolla boy runde anogo ko ma runda nan benga e to ngere mam yendam ko tara kya ba ibi se ibi se bibi na donke tunguru wili kana ko ka baroke pick up That's the kind they were doom, doom, bum, bum, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, kuda ke fasa fuwa gidan ki kuda ke yarinya ga warin ki indan ki iya gidan ki din fage ki fada muna banda bam tab gani ki fada muna banda muna sam gani madam ta ban kami sobo tara ta ba fo kami sobo madam ta ban kami sobo tara ta ba fo kami sobo chers auditeurs, c'était le titre Gab de l'artiste Somboukar. Place à présent à la revue de la presse présentée par euh, Mokhtar Hamadou. Bonjour Mokhtar. Bonjour Sali, bonjour Seno. Bonjour. Quelles sont les nouvelles euh, de la semaine voilà, Mokhtar, l'actualité de la semaine sur la presse nigérienne, c'est d'abord l'épidémie de grippe aviaire. La ville de Niamey déclarée infectée sur un rayon de 10, 10 kilomètres. J'espère que j'ai bien, j'ai bien prononcé titre l'hebdomadaire Niger Inter. Et oui, Sali, le journal nous apprend que l'alerte de présence de la grippe aviaire hautement pathogène H5N1 a été donné le 27 janvier 2024 par le laboratoire Labocella. Et cela suite à des analyses effectuées ayant concerné une ferme avicole familiale sise au quartier Plateau dans l'arrondissement communal 1 de Niamey. Devant le risque que représente l'apparition de cette maladie infectieuse euh, qui est passée de l'animal à l'homme, affecte plusieurs espèces d'oiseaux d'élevage, les oiseaux d'ornement et les oiseaux sauvages. Le gouverneur de la région de Niamey, sur proposition du directeur régional de l'élevage, a pris un arrêté en date du 30 janvier par lequel la ville de Niamey a déclaré infectés de grippe aviaire H5N1 sur un rayon de 10 km. Par conséquent, explique l'arrêté du gouverneur de la région de Niamey, les mesures d'abattage systématique des volailles des fermes touchées par la grippe aviaire, le nettoyage et la désinfection rigoureuse des lieux infectés et la quarantaine et contrôle strict des déplacements des volailles et de tout véhicule à risque seront Appliqué. Alors, euh, Mokhtar, l'actualité, c'est surtout la sortie euh, du Niger de la CDAO. Après le Mali, le Burkina, le Niger réitère sa décision de quitter l'organisation sans délai, nous apprend le journal en ligne Actu Niger. Et oui, non, selon le journal en ligne, dans une note transmise le mercredi 7 février 2024 par le ministère des Affaires étrangères à la commission de la CDAO, le gouvernement du Niger a réitéré le caractère irréversible de sa décision de se retirer sans délai de l'organisation d'intégration ouest-africaine le gouvernement invoque la violation par la CDAO de ses propres textes à travers les sanctions imposées à des membres et, estime par conséquent et conformément aux, conventions internationales qu'il n'est plus lié aux contraintes de délai mentionnées par l'article 91 du traité révisé et évoqué par la Commission. Alors, Mokhtar, euh, le divorce est-il consommé S'interroge le bi-hebdomadaire nigérien La Roue de l'Histoire. Et eh oui, non. selon le journal, il est vrai que la décision précipitée des pays membres de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, de se retirer de la CEDEAO était fondée sur des craintes réelles et ou supposées de représailles et de soupçons de mauvaises intentions de la CDAO en lien avec euh, des puissances étrangères à l'endroit des trois pays de l'Alliance des États du Sahel. Niamey a, a, explicitement interpellé le Nigeria sur sa responsabilité singulière euh, sur cette crise du fait que c'est sous le leadership du président Bola Ahmed Tounoubou que les sanctions uniques illégales, injustes et inhumaines ont été prises contre le Niger, rapporte le témoin de l'histoire. Mokhtar report de la présidentielle au Sénégal, le coup d'État acté, titre l'hebdomadaire nigérien Le Monde d'aujourd'hui. Et oui, Sali, selon le journal, en votant pour le report de l'élection présidentielle prévue le 25 février prochain, la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale a entériné le coup d'État du président Macky Sall. De son côté, selon le quotidien L'Enquêteur, la décision du président sénégalais Macky Sall de reporter s'inédier l'élection présidentielle est un affront flagrant à la démocratie et un coup d'État constitutionnel incontestable. Selon le journal en ligne Actu Niger, dans une déclaration claire et nette du département d'État, les États-Unis se positionnent en, faveur, en défaveur de l'ambition du président sénégalais de prolonger son mandat à la tête de l'État. C'est un désaveu en bonne et due forme de Washington qui a exprimé ses inquiétudes sur la situation politique qui est en train de se dégénérer en véritable crise post-électorale au vu des risques qui se, qui se profilent. Washington a également demandé instamment au gouvernement sénégalais d'organiser l'élection présidentielle conformément à la Constitution et aux lois électorales en vigueur, ainsi que de se mettre, ainsi que de mettre fin aux restrictions des droits et libertés des citoyens. Et c'est tout pour la revue de la presse pour ce vendredi 9 février 2020. 24. Merci beaucoup, Mokhtar Hamadou. Chers auditeurs, après la revue de presse, c'est l'heure de nous entretenir avec notre invité. Bonjour, rebonjour, monsieur Baydari. Pour le lever du rideau, parlez nous brièvement de Fifido et comment est né ce festival. Merci beaucoup et bonjour, chères auditrices et auditeurs. Euh, justement, comme vous l'avez dit, le Festival international du film sur les droits de l'homme est un festival qui a pour objectif la promotion des droits humains à travers euh, le cinéma et la culture. C'est un festival qui a vu le jour euh, en octobre 2012. Et aujourd'hui, euh, nous venons en date du 30 janvier au 4 février. Nous avons pu organiser la septième édition de ce festival sous le thème Le cinéma d'aujourd'hui face à l'éducation de nos enfants. Et donc, euh, c'est un forum que nous organisons, ce festival, pour pouvoir discuter de certains aspects des droits humains et des libertés fondamentales. Et je dirais également que c'est un festival à compétition. Donc, c'est un festival de films. Hmm. Euh, depuis la cinquième édition, ce festival est devenu compétitif. Et aujourd'hui, euh, nous nous retrouvons avec plusieurs catégories, notamment la catégorie fiction long métrage, catégorie fiction court métrage, documentaire long et court métrage. Nous avons également euh, deux autres catégories, notamment la catégorie euh, spéciale film nigérien, hmm. qui met en compétition les films nigériens dans l'objectif de pouvoir euh, contribuer à la promotion des talents artistiques nigériens. Hmm. Mais en dernière position, nous avons également la compétition des films des droits de l'homme. Mm. Donc, euh, dans plusieurs endroits du Niger, plusieurs espaces de Niamey, j'allais dire, nous avons pu organiser ce festival donc du 30 euh, janvier au 4, février 2024. D'accord. Alors, euh, comment avez-vous apprécié les six précédentes éditions et quels ont été les moments forts de la septième édition du Festival international du film sur les droits de l'homme, bien évidemment FIFIDO de cette année Justement, euh, les six autres éditions ont été pour nous des éditions d'apprentissage. Il faut le dire comme ça. Mm. D'apprentissage, pourquoi Parce que euh, à chaque édition, nous avons notre lot de difficultés, nous avons notre lot de prise de conscience et nous avons également euh, des savoir-faire que nous avons pu mettre en œuvre pour pouvoir corriger les erreurs et à chaque fois avancer dans, le positif. Et c'est en ce sens que nous avons pu organiser d'abord euh, cinq éditions euh, qui ont été euh, des éditions vraiment d'apprentissage, comme je le dis. Et à partir de cet instant, les, les, partenaires ont commencé à nous faire confiance. Ils ont commencé maintenant à s'investir dans le festival et, ils nous ont suggéré de rendre le festival compétitif afin de pouvoir sélectionner les meilleures œuvres parce que le public attend vraiment de voir de, de la qualité. Et donc c'est en ce sens que depuis la sixième édition, le festival est devenu compétitif. Alors pour le cas de, de, de, cette euh, euh, septième, édition, euh, elle a été coparrainée par le ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Sports et des Arts, et également le ministre de la Communication, des Postes et de l'économie numérique. Donc ces deux personnalités se sont véritablement investies et à travers l'État, nous avons pu euh, rentrer, en, tout cas bénéficier de, certains, de certains, euh, certains appuis à travers le, FONDAC. Et ça nous a permis d'organiser vraiment, euh, selon notre calendrier, notre agenda, de la meilleure façon nous avons pu organiser ce festival. Alors, pour nous, c'est une grande satisfaction. Une grande satisfaction, pourquoi Parce que euh, non seulement au Niger, nous avons eu le soutien de beaucoup de gens, surtout la presse, surtout, surtout la presse. Euh, la presse s'est véritablement investie pour couvrir l'événement et je profite de l'occasion pour remercier la presse pour tous les efforts euh, qu'elle a pu consentir. Et nous avons également eu la confiance, j'allais dire, sur le plan international, surtout de la Fédération panafricaine des festivals de films d'Afrique. Le président étant, euh, le président étant donc M. Euh, monsieur euh, Izedine Gouriran, mm-hmm. il est venu du Maroc. Quand nous lui avons adressé l'invitation, il a dit non, écoutez, moi je prends personnellement mon avion et je viens. Il a payé son billet et il est venu. Et de l'autre côté, le conseiller technique de, de, de la Fédération africaine des acteurs de films d'Afrique, aussi a dit je prends mon billet moi-même et je reviens, quelles qu'en soient les circonstances, et ils sont venus nous appuyer. Et donc, vraiment, je dirais merci à eux. Et aujourd'hui, le festival s'est terminé sur des bonnes notes. Euh, nous avons enregistré euh, quelques 186 films. Wow. Voilà. Et concernant les films, pouvez-vous nous parler des principaux thèmes abordés dans les films sélectionnés pour cette édition Justement. Donc, euh, dans les 186 films que nous avons pu euh, enregistrer, nous avons retenu 51 pour la compétition, dont 8 films nigériens. Et sur les 51, euh, nous avons mis l'accent d'abord sur les films qui militent en faveur des droits de l'homme, notamment en tout ce qui concerne le genre, la hmm. femme par exemple, euh, tout ce qui concerne l'enfant, parce que le thème cette année, c'est un thème lié à l'enfant, euh, j'allais répéter le thème, c'est le cinéma d'aujourd'hui face à l'éducation de nos enfants. Donc, tous les thèmes qui rentrent dans le cadre de la thématique du festival ont été sélectionnés. Et nous avons abordé aussi quelques thèmes liés à la démocratie, donc euh, à l'autogestion, s'il faut le dire. Parce que nous sommes aujourd'hui dans, un, euh, dans un moment où le Niger est incompris par, par ses pairs. Or, nous avons décidé d'aller vers notre souveraineté. Et donc, du coup, beaucoup de films qui pensent, qui parlent plutôt de cette thématique ont été euh, projetés, en tout cas au grand bonheur euh, hmm. du public. D'accord. Alors, comment évaluez-vous euh, l'impact du FIFIDO sur la sensibilisation aux droits de l'homme, tant au niveau local qu'international Justement, euh, ce que j'avais omis de vous dire est que mhm. le festival, le FIFIDO se déroule en deux étapes. Mhm. La première étape qui est celle qui vient de se, dérouler, qui est une étape en présentiel mhm. euh, à Niamey sur les 5-6 jours. Euh, ça, c'est en présentiel. Mais nous allons partir dans les villages, dans les communautés pour pouvoir organiser des projections suivies de débats. Et donc ces projections suivies du débat vont aborder un certain nombre de thématiques euh, liées notamment à la question du droit de l'enfant, donc la scolarité de l'enfant, la question du genre et toutes les différentes euh, sensibilités euh, liées à la, promotion des droits humains et des libertés fondamentales. Donc du point de vue international, on est suit de très près. De très près, pourquoi parce que euh, même aujourd'hui, nous avons une réunion mhm. au niveau donc de la Fédération euh, euh, panafricaine des films, des, festivals de films africains, aujourd'hui à 20h, que nous allons faire en, visioconférence, pour pouvoir faire le bilan du FIFIDO mhm. aux autres festivals d'Afrique, membres donc de cette fédération panafricaine. Donc c'est pour dire qu'ils nous suivent de très près. D'accord. Alors nous allons, euh, prendre une petite pause et on revient juste après. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Voilà, chers auditeurs, poursuivons notre échange avec notre invité du jour, euh, M. Baydari Yakouba Hamani. Je rappelle qu'il est réalisateur, producteur, acteur et directeur du festival Fifido. Et nos échanges portent sur le bilan de la 7e édition du Fifido qui s'est tenue du 30 janvier 2024 au 4 février 2024. Monsieur Baydari, comment évaluez-vous et quel, bon, quelles ont été les principales difficultés rencontrées lors de l'organisation de cette édition et comment les avez-vous surmontées euh, Justement, vous savez, euh, seule euh, toute œuvre humaine est entachée de difficultés, comme on l'a toujours dit, c'est tout à fait naturel. lors de l'organisation de cette septième édition, nous avons rencontré deux principales euh, difficultés. La première, c'est la mobilisation des fonds. Ça a été extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Je comprends que nous sommes dans une situation assez critique, il faut le dire. Et donc, nous-mêmes, nous, l'avons senti. Euh, les sponsors euh, nous ont accompagnés, mais il faut reconnaître que jusqu'à la veille jusqu'à la veille hmm. du festival, il y a un seul sponsor qui a répondu. Un seul. Un seul, financièrement. Euh, il est vrai que avant cela, j'allais oublier, il y a euh, euh, permettez-moi de les citer. D'accord. Voilà, parce qu'il y, a Babati qui nous a accompagnés avec euh, des bons d'essence, mm. ce qui nous a permis, euh, en tout cas, d'amoindrir les charges liées au déplacement. il y a aussi la Caisse nationale de sécurité sociale. Il y a aussi Canal Plus qui nous a accompagnés sans oublier bon, les autres structures qui nous ont donné des espaces tels que le, CCOG, euh, le Centre culturel franco-nigérien, l'ESCOM, l'Institut africain de technologie et autres. Mais euh, la principale euh, difficulté ici, c'est que les fonds nous sont parvenus en retard. Un peu tard alors. Non, en retard, il faut le dire, parce que c'est carrément à la veille de la clôture. <laughs> Hmm que nous avons pu rentrer en possession de ces fonds. Donc ça a été difficile pour nous. Mais l'autre principal difficile, c'est que, difficulté, c'est que nous avons été victimes d'un vol. <clears throat> Il faut le dire, nous avons même fait la déclaration à la police. Euh, et là, c'est tout notre arsenal en matière de disques durs, en matière de clés USB, qui contenait tous les films de la compétition oh. qui ont été volés tout d'un coup. Aïe, aïe, aïe. Et donc, on était obligé de nous retrancher et de faire confiance à notre Internet pour pouvoir télécharger. Durant chaque nuit, on, ne fait que télécharger. Parce que la journée, c'est pas évident avec euh, la connexion qui est lente. Mais la nuit, mm. euh, on était obligé de rester, euh, en tout cas, de, minuit jusqu'à 5 heures du matin mm. pour télécharger les films. Et c'est comme ça qu'on a pu surmonter ces difficultés. Mm. Et sinon, franchement, ça euh, jouait sur notre mobilisation. Mais Dieu merci, Alhamdulillah, nous avons tenu. D'accord. Dites-nous comment le FIFIDO contribue-t-il à la promotion de la diversité culturelle et la tolérance à travers le cinéma Oui, justement, euh, vous savez, au FIFIDO, il n'y a pas seulement que des projections. Hmm. Il y a des conférences, il y a des formations, il y a des masterclass, il y a des débats qui sont organisés. Ah. Et généralement, après les, les, les projections, on, fait des débats. Mm. On fait des débats sur des thématiques euh, bien déterminées. Mm. Et comme je le disais tantôt, la deuxième phase du festival Fifido consiste à aller dans les villages. Donc chaque année, nous faisons 33 villages où nous faisons des projections suivies du débat, mm. notamment sur des thématiques telles que le mariage forcé, telles que l'excision, mm. telle que la scolarisation de la jeune fille, mm. l'insertion professionnelle des jeunes, etc., etc., mm. l'immigration. Vous parlez du village, excusez-moi, est-ce que c'est les films-là sont en langue que vous projetez dans les différents... Oui, oui, oui. Euh, euh, généralement, pour la deuxième phase, nous ne projetons que les films nigériens. Tels que quand je prends le les film. huit films, n'est-ce pas Oui, oui. Mm-hmm. Quand je prends par exemple le film Weboro, mm-hmm. qui a eu le premier prix du, euh, de la compétition spéciale film nigérien. Mm. C'est un film qui est, qui qui fait, euh, qui est réalisé en germain. En germain, un peu de français sous-titré également. Et donc, euh, c'est facile. C'est facile pour eux de, comprendre euh, exactement le, contenu du film. Le contenu et surtout qu'il y a un débat autour de tout cela. Ok, d'accord. Alors, euh, Sally, la dernière question parce que le temps est contre nous. <laughs> <laughs> voilà, quels sont vos projets et vos, vos objectifs pour les éditions futures du Fifido Oui, euh, pour les objectifs futurs du Fifido, nous voulons mettre l'accent sur euh, comment on appelle ça, les activités connexes, hmm. notamment par exemple l'organisation d'un concours de plaidoyer. Hmm. comme nous sommes dans la question des droits humains, il faudrait aussi que, même cette année, nous avons voulu l'organiser, mais ça n'a pas été facile. Et nous, euh, nous, sommes, si vous voulez, dans, euh, pas forcément de la dénonciation, mais plutôt dans la, la création à une prise de conscience. Et désormais, nous sommes dit que nous allons nous inscrire dans la euh, dans l'appui, l'appui euh, aux, populations. Mm. Et je donne un exemple. Dans notre programme pour l'année prochaine, nous, allons faire des projections dans les, dans les maisons d'arrêt, les prisons. Dans les maisons d'arrêt, les camps de réfugiés, des trucs comme ça. Mm. Et donc, en principe, quand nous partons faire des projections là-bas, suivi du débat, nous partons aussi avec des biens, des savons, des couvertures, pas mal de choses. Ah. Donc à travers des structures qui interviennent dans ces domaines, ils nous accompagnent pour que nous aussi, une fois sur place, nous pouvons contribuer euh, au bien-être de ces populations. Ah oui, mais ça c'est applaudir. <laughs> Hein. <laughs> voilà, merci beaucoup Maïdari. Merci de nous avoir honorés de votre présence sur euh, l'émission Les Niger sur kalango Tout le plaisir est pour moi. Chers auditeurs, si vous venez de prendre l'émission en cours, ne vous inquiétez pas, vous pouvez la réécouter sur notre site web www.istudiocalangou.org. Il est 11h passé de 29 minutes, c'est l'heure de la rubrique hebdomadaire entrepreneuriat. Voilà, c'est non. Exactement, c'est l'heure de la rubrique entrepreneuriat, chers auditeurs. Dans la partie euh, rubrique, euh, euh, notre rubrique hebdomadaire entrepreneuriat, nous faisons une immersion au foyer Anour Aïcha, où des femmes et des jeunes filles apprennent un métier. Reportage signé Omar Hamma. <laughs> irsi wo annuri newode amanti kala nongu ka iga woybore ingande wondi furete nan dondonande kambe goy non kir marganda Rashidatu Abdu hima amanti kal nongoji jini funa a hen segir famandi mata kan a tega furo goy wone wora foye annuri aisha dai entreprise no kan irgite savon yan turari yan dug yan irgi woybore dondongandin da irgite mugunera da tayan oh. goyey ba bakan irgiti sira agroalimentaire cosmétique couture cuisine maquillage nga yen irgiti to goyo wo dai za 2016 irna sintin 2016 ga kan hunkuna yi mila ga irgo koy furgiri ya gara to goyo wo dai ayin suban zamza aigo te troisième ingano aidu formation savon te yamba jiyan turare donc aika wato din j'avais des 18 ans no quand kan une formation Ay ai bumbo ay ma hingmi le hala son ay goida mais je sais dai kan wat kulu ay gay kay ya changer ay cingay kure guna kure kan du formation ga ingino kan ay ka ay te santé ay ban go goro chômage wo ne il faut no gana ka gorga batu wat funi sambo sambugo alors que ay gonda kan bugo kan du gite wadin no nan lan ara ba da wadi mo da tuwo hunkuna a siiga hede kala janga dai i wane jine kiiga te cimi dai no goi kunno gen sende lallai sanda kan gono han foyon borga kan han foyon borga tunu zama dibor sinda diko dole no wadi gate koy ni ifo gati di diyongo gati dir borai ni ngay produit ay kar han foyon gono kan boray di kan ne wono igoga kar isano valer isofinga im day tara iga bisinga im day irga irmo irnoga baykan hal borgo ga jinaite dole no niga seriye da nim jina tam bori zama ai gini bai ni gai bai ni ga dai jina si bori niga hinga ba ka gai digi yange ya dinga dole no ai mai gina te ai ba il faut que borai ma irginai dai ingdeno problem mo i ma ba irgoyo kan irgote imira di didi go ga talla imir ga ga talla didi di neeri i ma ka ga dai kaŋ ga boro borgere mo ngai mo msabai gite bisa biswatu kulu imne kal ma koy sam taray ga kande ummul hera abdulaziz hamidu boro wone de amantikal bor kan kaga dondon a ne inga ma dondonandi yaŋo wo kani gumo la ikaga te formation wana nefu mwa wana ikula kulno irigi te irigi te couture irigi te cuisine dugu safun aye igba gumde kan irigo ti irigi katre mwa rano irigo irigo irigo karo kul gadam so irigo hingu dumbi irigo nse irigi ta irigo nse ini irigo isabu irigo gisaba se muzan fisi bidi lai sintinaga irigo de gugorno fuyen hai fokus sina bindi kan irma fuwa yawo mayo irka irfuro iri neirikwa isavu zamirigo kudondonka mbugo ekuduma agogirwa nongande ndafisi bidilai zamusafuna mboka irwa nengubumboda haifono zame tegiri majiborgo fugu kornosiudu safuno nosibai momotkigi safunte dambindi formation ngowokan kagufurir sendi irikogibai hankandankigo safuno teda yanga bo fo subor kane ker gogo fahamu dan kago kiyes barkan ning si fahamu yanga ka dedu bor man te anniye no hankan gogo bor ka tare wo don no bor gul lakkalo da bor kan ba hankan no nin ka tare yan ga ni suka gine ni mun rover verse yamu ni sil lakkalo da gudu goyo kan ni goka unkundai denongo ken siigane faye rasidatu abdu hima aduga wey borbobo dondonandi kambe goyo agoga tammamo gadu hina kanga nga wane kampana wo berandi gatonton amdugo wey boryon dondonandi kambe goy Voilà, chers auditeurs, c'était là la rubrique hebdomadaire. Sinon, un deuxième tour en musique. Avec le groupe Enionem qui vient avec le titre Dans le meilleur de toi. Je vous rappelle un groupe qui a fait vibrer les mélomanes amoureux du hip-hop dans les années 2000. En kiffe on revient. Voilà, chers auditeurs, après cette belle sonorité musicale, euh, direction Gaïa pour l'écho des régions. Oui, c'est nous. À Gaïa, des personnes en situation de handicap ont créé un centre de formation en artisanat. Leur but, aider ceux qui vivent avec un handicap, qui désirent apprendre un métier pour lutter contre la mendicité. Suivons ce reportage avec notre correspondante de Gaïa, Ramotu Issa Oenke. matasa masu fama da lalurar ne suka rubuta sunansu a artisanal ma'ana ma'aikatar nan mai kula da koyar da aikin hannu wannan kuma a wani mataki na samun aiki suna da zaɓi a bisa fannoni da dama a cewar isa musa shugaban na wannan ma'aikatar lallai na ga ayyukan da muna nan gayi suna da yawa muna aikin kujeru da aikin gadaje da aikin tabul da aikin hata da ire-iren su kamar su balon koko santir koko takalmi ko abun da ya haka da sabun turare omo da mai waɗannan duka ayyukan namu ne da muna nan gai nan ga duka mun kwara suke na koyan aiki eh, da muna nan gai shi. Ɗaliban dai a ƙarƙashin shagorancin mai koyar da su na ƙirƙira abubuwa da dama waɗanda suke sayarwa kuma a cewar isa wannan aikin yana ba su daman ɗaukar nauyin kansu da kansu da ma iyalansu. Alhamdulillah ko mutum ka shiga cikin mutane ma a kula da kai wannan ma ya isa ko ka yi magana cikin mutane ka gana a saurara maka wannan ma ya isa miya ya kawo wannan duka dalilin aiki aikin nan ne kuma bayan wannan kuma mun yi aure mun samu yara muna kida su akwai waɗanda muna taimaka ma masu kafa huduka muna taimaka musu kenan ka gani wannan ma ci gaba ne Uh, to. Suna da yawa matasa masu fama da laluran na kasa waɗanda kuma suka riga suka samu horo na aikin hannu a wannan ma'aikatar sai dai kuma da yawa daga cikinsu ba sa samun buɗe gurin kansu wannan shine matsalar da dauda abubakar da kuma abasa hamani suke fama da shi. Ato igo igo dai mai gida ban da gina o zama ido da filan, karo da filan to taimako dai no igo ba izan izankaya ikulu igoba imatele feri to hina da ya sise da hina waise do za lokaci kan da ino di pilon do igege feri so dai igore tabul yam seziyam dariyam hulu igate to dai dan daga dai yiri iyi ne yiri zambar hinkan di wacin di iyada dai dan daga nan sintin danga dai da daga dai lan da mil satinen sintin oh amma hala ai ko kudi diplongo yirwo dai dai da daga dai no ai du diplongo oh so ai du diplongo ka to son auto da dan da yirwo to walla alhamdulillah ai gon wa ara ai gon han ara bankan ka ga kasne ke cimo godo hai kan ai gon da hina ai go tase oh, sanda yo oh, iga ba zama han fu kan dai majin banda bore e ci yise woyo do hara igwanu goyo amma imuka ki ga gaksine ki di ise ki komando te dini te imi bana imudu gabi ku ne goga wadno gite tun a shekara ta 2002 da aka kirkira wannan ma'aikatar ta koyan aikin hannu na masu laluran na kasa wannan ma'aikatar ke tafiyar hawainiya kuma dukkanin waɗanda suke aiki a gurin nan suna kuka da matsalar rashin samun waɗanda ke zuwa saye ma'ana customers ramtu isa wanke studio kalangu gaya Chers auditeurs, à présent, accueillons notre chroniqueur e-sportif du jour, Hassim Gourouza. Bonjour Gourouza. Salamat, bonjour. C'est nous, bonjour. Bonjour. Gourouza, c'est aujourd'hui que les Gazelles, l'équipe de football féminine U17 du Niger, défieront leurs homologues du Maroc en match retour des éliminatoires de la Coupe du monde féminine de football zone Afrique. Oui, Salamat, tous les Gazelles ont perdu face au Lioncel d'Atlas du Maroc sur le score de 0-11. 11 buts à 0. Euh, euh, ça s'est déroulé au stade municipal de Berkane en match aller. Le match retour est prévu au stade de Berkane aujourd'hui même. Ça, c'est des l'été. Notons que 12 équipes se qualifieront euh, pour le troisième et avant-dernier tour de ces Gourouza, la 15e euh, journée de la Super League se poursuit sur euh, l'ensemble du pays, n'est-ce pas Oui, c'est nous. Aujourd'hui, vendredi 9 février 2024, il y aura au stade général Séni de Niamey la rencontre des Chauds Noirs du Zumunta et de l'AS Garde Nationale. L'équipe de la Renaissance sera face à l'AS Douane, toujours au stade général Séni de Niamey. GST de Tawa accueillera la Kokana d'Arlit Tatawa. Demain samedi, le RAS Sahel Sporting Club et l'AS Police à Niamey et la Nigelec à la gendarmerie au stage général de Niamey. Gourouza, on connaît à présent les finalistes de la Coupe d'Afrique des Nations de football Côte d'Ivoire 2023. Oui, Salamatou, euh, le miracle continue pour la Côte d'Ivoire, pays organisateur. Miraculeux en huitième de finale. Les éléphants disputeront la finale de la Coupe d'Afrique des Nations avec les Super Eagles du Nigeria. Il y aura donc de l'électricité dans l'air le dimanche prochain entre la Côte d'Ivoire au Nigeria en finale de cette Cannes 2023 ça serait un rendez-vous de donner et de recevoir pour les sportifs euh, africains. Merci beaucoup, Groza. Bon week-end à vous aussi. Merci <laughs> beaucoup. chers, auditeurs, euh, chers auditeurs, il est l'heure pour nous de découvrir notre star du jour. Et aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Haruna Rabo, dit Dorogo, chef griot d'Arlit. Effectivement, Sally, euh, Sali, âgé de 63 ans, Haruna Rabo, dit Dorogo, a été intronisé chef des griots d'Arlit en 2012. Originaire de Maradi, il a appris euh, à jouer divers instruments euh, de musique traditionnelle depuis son jeune âge. Gungu Mahaman Dantani s'est entretenu avec lui. Suivons son portrait. shi kiɗi na koyi shi ne tun ina kiwon shanu wurin kakana bawa ina kiwo sai na komo maraɗi wurin kakana da ya uwata na kiɗa ma jufo bukari molo na kwatanta mani shina koya mani har na kai na iya da na iya sai na bar kiɗin molo kuma sai na koma nan kiɗin ganga cikin garin maraɗi tare da zara'a bakuburi wanda ake ce ma kurege cikin garin maraɗi na iya kiɗin ganga sosai yadda ya kamata na zama dai babban makaɗi wanda komi an za a yi sa'annan na yan ra'a tare da ni sake shi kuma sai na samu zabarma nan cikin garin maraɗi mai kalangon ana ci mashi yayi da jada da ana ruwa su ma suka koya mini kidan kalangon na iya dan ni ban tsaya wuri daya ba sai a ni makadin hillari ana ce mashi tanku na balki garin makada shike na shambe da ka haye iliri sai garin makada ya kura mini kidin gunduwa na kai da iya banda haka nan na koma ne kidin doma na iya wurin wani makadi ana ce mashi dan malam kuma na koma wurin wani wanda ake ce na dan kuli yan jirgi ba kwan shi ma babban makadi ne na na duma su ake ji jihar maradi duka kap su ne abin da ya yasa kenan wanga aiki na iya shi ne na san ko ta ina ake bi a iya shi ban taba zuwa ba tsakanin da wanda za ya bani wani abu in bata raina a in ka ba wani ka goma ni ka ni dala arba'in um billahi lazi da ita zan samu albarka da na gama duwan ga kada kaɗe sai na koma ya mai ne shekara goma sha daya mai bayan maradi wani yanki ka sani a cikin kasar tamu na san dogon duci na san kware mai ruwa na san cibiri na san kyada na san dumega na san doso kuma duk kiɗin molan ne na kakana da shi shina sha na muna tahiya. To sarkin makaɗa wa waye koya maka kiɗa kuma wani abin kiɗa ne ka soma da shi? wanda ya haihi ubana ya gwada mini kiɗin gara wanda ya haihi uwata ya gwada mini kiɗin molu a ka gani nan ba a ma a tambayi ni waye ko kai na gada ayi abin ya wuce gado gadon uwa ne da gadon uba na gama a wace shekara ka zo jihar agadas har ka zama sarkin makaɗa shekarar da ni ta toyi sa'an na komo agadas yanzu nan jihar abzon an naɗa ni sarkin makaɗa na arlik tun daga agadas aka tado mutum aka zo aka ce a yi zaben sarkin makaɗa makaɗa da na kwamanaka da na arlik suka ce ni suke so na ce na ɗauka kuma kuma za ni maku da al'adun sana'a mu ce. Cikin yaranka ko akwai wa'anda suka ɗau gado? Yanzu ɗiyan mu kasan duk makaranta ƙur'ani. Ɗana yanzu haka guda Abdulkadir Sabkabi ke gare shi. Isa ya sabka guda kuma shina canya mai aiki yake. Ashinar ne na filan na gini. Chers auditeurs, après ce portrait Dernier tour en musique avec l'artiste Nana Ayubonya qui nous chante Mayilali. Dans cette sonorité, Nana chante le pirogue sur le fleuve Niger. Bonjour à tout le dandy. Voilà, chers auditeurs, euh, c'était l'artiste Nana Ayubanya qui nous a proposé le titre Meihil Ali. Voilà, Ali, à présent, on passe euh, au loti du jour. Et oui, c'est nous, à un certain âge, il n'est pas prudent de laisser les enfants seuls à la maison pour éviter les problèmes et des accidents. Recha Arimi et Fante Chamsou en parlent dans cet échange qui fait l'objet du loti d'aujourd'hui. matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji hey matsukiji kai kai kai wa nake gani haka safi yar uwa ke ce masha Allah na shima da ki ya ne kina lafiya alhamdulillah umma wallahi mun jima da juna kwarai kuwa an ya bum kai shekara biyu ma tun bikin bebenki ridwan mm. ya ma yake da dama shi lahiyar shi lau na bar shi a gida umma kin san ba daɗi ka ringa yawo da yaro a bayanka abin da wuya gaskiya kina da gaskiya ni ma bani iyawa don gaskiya wuya gare shi har dai ka zo kasuwa da yaro wallahi kenan tare da baban shi ki baro shi baban shi a'a shi ma ya kawo ni nan ya aje ni kasuwa ya wuce wajen wani fatiyar biki a ah, to shikenan To da wa ka baro jaririn? Halan um. dai mai reno gare ki. <laughs> Umma wallahi ban da mai reno yana kwana dai na hita sai na bar shi shi kadai gida. Shi kadai? Rinuwan inda bai ma cika shekara biyu ba. Ke bari ta da hankalinki sai da na rihe kohohi da makulli sannan na hito ba abin da zai same shi insha Allah kuma ba wanda zai je ya tada shi. Kin ga dama na zo ne in yi gaugawa in kare abin da zan yi direct in wuce gida amma sai na dan biya wajen tela na na ɗauko riguna na kwamkin san akan hanyar inna lillahi wa inna ilaihi raji safi me akai an yi hakan ki ɗaya kuwa ke wace irin uwa ce to umma me ki ya tashi haka dan na ce miki na bar riduwan shi kadai a gida me yake yi abin da na saba barin shi haka nan shi kadai in zo in yi abubuwa na in koma kullum yana barcin shi kaman kaman wanda ya yi aikin duniya yanzu haka ma yana son yana barci ba abin da ya dame shi Gaskiya ni ban taɓa ganin uwa irin ki ba. To. Ƙaƙa ki tashi ki rihe yaro cikin ɗaki sannan ke ki hito hankalin ki kwanci salim alim kina yawo cikin gari. Anya kin san irin haɗarin da ke ɗauka kwa. Ƙoƙari ma gare ki. Ke umma a je hankalinki babu wani abin da zai same shi. Kuma ba ƙarshen duniya ba ce don na bar riduwan shi kaɗai a gida. Kuma ba na farko ba ne matsala guda ɗaya ce in ya tashi da barci. amma kin gani shi yasa nake gaugawa kamin ya tashi na tahi na koma gida safi yaro ko barci yake ko horke yake bai kamata ba bai kamata ba sam ki bar yaro shi kaɗai cikin gida yaron da yake buƙatar kulawa a ko da yaushe kin ga ɗanki ridwan zai iya tashi yayi ta kuka kuma wannan zai iya taɓa kwakwalwar shi taɓa kwakwalwa kuma ke ban ciki da wannan abun na nasaru ba komi ba ne shi dai larurar kwakwalwa ba ta san ba launin fatar mutu. ke bayan wannan ma ɗanki zai iya tashi ya taya miki wata barna cikin gida ba na miki fata amma zai iya jimuwa ya yanke ko kuma ya kawo wani haɗari da ake cewa haɗarin cikin gida haɗarin cikin gida kuma me wannan haɗarin cikin gida su ne misali wata gobara ko kuma yaro ya yanke ko ya ƙone ko kuma ya samu wani abu ya shaƙe shi wanda numfashin shi zai tsayawa yara suna da ɗan karen ƙunƙunto suna son su taɓa komi suna son su san komi yana iya ya ta cikin gwadalarki ya kunna gas gazikin nan kuma baya da kyawu sai ya shaƙe shi ko kuma ya sa huta ma cikin gidan gaba ɗaya. kai subhanallahi subhanallahi allah ya kiyaye mu umma idan danki ki bani tsoro ne kike haɗi mini wannan abu da allah bari ban na so. ba da in baki tsoro bane ba gora ko kuma dan ina miki wani mummunan hwata amma ya kamata ki gane kuma ki kula ki daina barin yaron ki shi kaɗai a cikin gida. Ba abu bane mai kyau. Kina iya idan za ki huta, ki ta ki kai ma makotan ki shi kamin ki kare yawon ki. Ko kuma ki samo mai reno ta kwarai ingantacciya ta gari. Wallahi kina da gaskiya. abin da kika haɗi mini wannan ya taɓa ni ban ma san ba ko na ci gaba da sayayyan kayan nan yanzu abin da nake so kawai komawa gida in je in ga yadda ne yake wayo allah ka aje ma a ce wani abu ya same shi na san dai lahiyar shi lau kwantar da hankalinki safi insha allah kin isko shi lahiya ki maza dai ki shi gida allah ya kiyaye danki amin amin taxi taxi taxi haro banda Voilà, chers auditeurs, euh, c'était le loti du jour. Euh, retrouvons cette fois-ci Alamine Ouachar pour la culture linguistique. Il nous explique le mot criminalité. C'est le mot de la semaine. Bonjour, Alamine. Bonjour euh, Seno, bonjour Salamatou, bonjour, bonjour, chers auditeurs et auditrices et bienvenue dans notre émission hebdomadaire culture linguistique. Depuis un certain temps, nous assistons au démantèlement d'un nombre important de réseaux de bandes de voleurs à main armée d'agressions à l'arme blanche ou des trafic de drogue. Une importante hausse de criminalité urbaine notamment. Vous l'avez deviné, notre mot du jour est criminalité. Criminalité, c'est avoir des activités ou des comportements illégaux. L'augmentation de la criminalité est devenue une préoccupation majeure pour les organismes de l'application de la loi. Mmh. يعني أرد زاني شو زلادة كريمناليتي المعنى تكماوي أي تي دم وين تاجين تكماوي يعني مو سنارة تنتينة فلاس ناس تاو بازنا بيدا جن جوتنين مجرك جوتنين يعني مجرك وين دقلن دقلا أرتجين تاو بازا جروب النسن الدروغ هروادة دارة درتنية تسامسودنين دغا ديار تاوا إدكاسن الأمة أرتاو إدكاسن شروش توين نطفنين de cette dintana dans le canon. Merci euh, infiniment à Alamine Ouassar pour euh, cet éclaircissement sur le mot. Chers auditeurs, euh, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en haussa, en zarma, en tamashek ou en fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message au un message écrit au 82 89 89 64. Écoutons ensemble les messages de nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. barakatu studio kalangu aino salai musa kango windi tan lalle lakal kana do haray irla bugu bukata ko lakal kana ga gum gum gum manci cikaina age himanda radiyai bon wala hay e kan ga himanda im sensibilisation en te borese langa bon fere kan ga borai ko konda lakal kana do bore mu haggai da labari tari wanai internet e bon sanne ke sinne ke de bon kayan ga hinkan da lakkal tunai borai da kergamra bore mu ko kirka wada wodi yan irko mu kanirse lakkal kana irko mirla bonu lakal kana irko subhanahu wa ta'ala mir fahaman gondi irko mirwa tar tar labari de hangane yan assalamu alaikum sido kalangu ayno hajar hamidu kango bolle yara songo fayan fayan ka ki gogte irko de mirwara fayan fayan ko asiburi yari nga binde irko mna iri musabaka te nya fo babu fo gamnan kulkan fayan fayan kate fitin na ga kandi adin ga irko talaba hannu mun iri musamman da kyare ko mun iri mutin ya fo babu fo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barakatuhu studio kalangu ya ka fo sun so banante ai mayo isa haruna jole irga ngore irne zalla bo sai la kalkane irko ma aslami wa fakandi irga bara edimo anema zumbu la kalkana anema sintinga zumbu irko ma tabbatandi Voilà, chers auditeurs, c'est la fin de notre émission d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La technique, c'était Seine Isaka. L'édition Adam Donwaki et Reilatu Sumana. Bon début de week-end à vous tous. Bye bye. Ciao, ciao.